shirin tous à la fada salut amis de tous à la fada vous êtes bien calés cikin gidajen ku j'espère bien yau ga mu a nan gidan makada a fm taya na nan birnin yamai ita dai wannan corona ke banna da take ba karama bace bayan 'yan makaranta da 'yan kasuwa les artistes mawaka masu tiyatir rawa e consort wa'anda sai an yi taro su samu abincin cin su su ma dai tana tana musu banna Et c'est dans son message à la nation du 18 mars 2020 que le président de la République Issouf Mamadou a annoncé la fermeture des lieux de distraction pour les jeunes afin de prévenir le Covid-19. Du coup, comment font nos amis artistes pour joindre le debout Je vous rappelle qu'ils nous tiennent compagnie. Donc, babu fada babu kiɗi kakane matasa suke yi ka kakane wa'annan matasan suke yi ce sam ka gayyato mu mawaka da waɗanda suke harkan duka taron matasa su zo nan ga su ba mu amsa que serait la fada sans sa musique sa chronique Olivier. Ouais, ravi. comment va? tu vas Ouais, ça, ça va bien. Ouais, tranquille. Aujourd'hui, on va parler de quoi sur la FADA Aujourd'hui, on va parler de la technologie. En gros, la grosse question de la soirée, comment est-ce que peut-on faire de la technologie un outil de développement. Merci à toi. Merci d'innover tout le temps sur la FADA. Et sa nouvelle rubrique de Dondi qui est Sarah Famuna. Yo, Dondi kuma ya je ya yi de da wannan mawaƙi da ake filo la Diva. Zan un un Un coup de jima ku bi La FADA s'est installée à un centre de formation de promotion musicale CFPM Taya gidan makaɗa da masu rawa kai har ma a nan wanda ke nan wajen sai a nan birnin Yamai. A wannan fadar muna tare da Mamman Sani artist musician ne kuma SJ kin Association Nigerian des auteurs compositeurs et interprètes de la musique da ake Anasim. Également, nous sommes avec Rachid Baltazar. Il est comédien et président de la Fédération nigérienne des associations des artistes et comédiens FNAC. Omar Maïdouma, Damay Kalangu, Shikenayena <laughs> Hira Tendazu. Nous sommes également avec Papus Tjemogo, animateur de Blue Open Scene, la grande scène des jeunes. Dans il y a plus de spectacles pas de grand concert, même pas de mini concert, un tout petit concert, rien. Aboumbaradi ah pour nous, <laughs> les mélomanes, hein. je te dis, c'est chaud. Hein. Bon, vos fans ont réagi euh, grâce à notre fil WhatsApp 80 06 88 à 54. Certains vivent mal ce silence. Maman Sani, Mouchalare Soumouji. Oui, il y des gens là. il y a personnellement pour les spectacles les bars fermés les lieux de distraction fermés tout ça là bas donc quand je viens à la maison j'allume la musique je transforme ma chambre en une sorte de boîte de nuit. Puis ça s'arrête là. J'ai des amis, je les invite chez moi, et puis on fait la fête, je pars aussi chez eux, puis on fait la fête. Il n'y a pas de rendez-vous, copain ne vient pas à la maison, on ne sort plus, à part les téléphones. Voilà, tout le cikin wannan rahoton da muka shirara matasa ya certain ki vive mal wannan shurukin naku babu komi babu spectacle babu concert babu komi me zaka ce musu wa'annan matasan eh, to lalle kai abin da zan ce musu sai dai kawai a ci gaba da addu'a mhm. eh, a ci gaba da addu'a tunda abin ne wanda ya zo wanda ba mu da ba mu da maganin shi hmm. kuma eh, lalle kai mu masu sana'a kiɗa da waka abin nan abin nan ya kai mu ƙasa gaba ɗaya ya kai mu kasa tun da ba mu gabatar da sana'a mu ga yanzu ga muke nan zamne mhm. eh Allah ne kaɗai ke ta hidda abincin mu na dare yau don ku mm. euh, kenan abu ne wanda vraiment mu mun yi kowa jin ciwon shi mun ah. yi kowa jin ciwon shi kenan su dai masoyan mu masoyan sana'ar mu sai dai mu ce musu mu da su gaba ɗaya mu ci gaba da addu'a Allah ya sa wadda annoba da ta zo ta wuce kuma ta ba a yi gaman katari muna cikin masu rai Voilà. ah amin amin. Yanzu kuma zan dawo ga gare ka kai Papis ce mago Blue Open Sen, Blue Open Sen kakanda nake ganin Blue Open Sen matasa ne da dama kuke recevoir. To wai yana matasan naku yanzu, qu'est-ce que tu peux leur passer comme message à travers la FADA euh, bon, je leur dirais tout simplement que d'abord ce qu'ils doivent se mettre en tête, c'est que si euh, on est dans ce silence, ou bien si ça ne va pas, il n'y a plus de Blue Open Sen, c'est parce que d'abord il y a la pandémie, et aussi que si eux, ils vivent déjà leur manque de distraction, alors comment est-ce que les artistes, eux, ils font pour vraiment se venir à leurs besoins et tout ce qui va avec dans leur vie quotidienne Parce qu'eux, ils vivent de ça, mais eux, euh, c'est le public, ils viennent pour regarder, accompagner ces artistes. Oui, certes, ils sont la force, mais qu'en est-il de ces artistes Parce qu'eux, ils sont carrément à terre, ils ne savent vraiment pas, il n'y a pas de boucher, ça ne va pas du tout. Moi qui suis animateur à la Blue Open Scene, euh, je vis vraiment mal la chose c'est d'abord un lieu de distraction pour moi. ça permet aussi d'accompagner les artistes. Tout est arrêté. Et aussi, s'il y a quelque chose à gagner, il n'y en a plus. Oui, c'est le, job, quoi. Il s'est arrêté. Effectivement, oui, c'est arrêté on vit aussi la même chose, qu'ils prennent patience et qu'ils prient à ce que Dieu nous montre la fin de cette pandémie. La fin de tout ça, franchement. franchement. Ce qu'il ne va pas, c'est que c'est quelque chose qui a coïncidé avec euh, le mois de Ramadan, qui est un mois béni dans lequel il n'y a, même pas pratiquement d'activité. Et avant le Ramadan, on a fait un mois, sans activité. Peut-être c'est avec les activités avant le Ramadan que les, gens, euh, les artistes préparent le Ramadan. il n'y a, pas eu d'activité. Il n'y a même pas eu d'activité du tout. Omar, tonton C'est vrai, bam et Chewako, il a un spectacle né et que ça va, le secteur musical, tout ça là. Mais quand même, ça allait, non Ana ɗan ka kama wako? Da kan dai wannan abin da ya zo iya taɓarɓare mana kayan. To lalle kama wannan alloba ta zo gaskiya ana ɗan kankama ana ɗan samun abin da za a kore ma baki kuda. to amma yanzu da waga annoba ta zo sai mai fatan ubangiji Allah ya sa yana ta zo ta iske mu lafiya kuma ta wuce mu lafiya kuma muna fatan ubangiji Allah wanga magabata su ji kukanmu su duba mu dai zamani da muke bayan allah ne yanzu kawai mun zama bayan allah fatan da muke ubangiji allah ya rawa mu asiri da ga alloba yarda ta zo ta wuce ta zo ta iske mu lafiya kuma ta wuce mu lafiya monsieur rashid eh, baltaza eh, kamar inda kamar inda mamman sani ya hodi ne mm. mu eh, eh, mashugaba abin nan kungiyoyi abin nan sector de la culture okay. Eh, a sunan wannan muke cikin ga mamman sani ya gai c'est-à-dire que tun abin nan situation da mun ka sani yanzu bai zo ba mhm. ai kowa ya sani artist sai a hankali sai a hankali sana'ar mu kamar inda mamman sani ya gai ba samu abayi ba amma abin da ake samun ne ba mu kai wadancan kasashe ba eh, mutane kamar in ce dai karhinmu bai kai inda za sai da ayyukanmu yanzu yanzu a ce mu dace ba a ce sava babu ekonomi ekonomi babu cest au jour le jour in ke iya gai hmm. ake hita a samu ɗan kontra a samu abin da an ka ci sai gashi wanda bai da economy sai rana guda a zo a ce a duka an saida baka aje komi ba kuma aikin babu shi mhm. to kaka kenan gaskiya na gane ma omar me eh, ba dan a ce almajirai ba puisque situation ne da ya shayi kowa da kowa lazina nan ga muku don da ya yi hira da wannan mawaƙi da ake ma filola diva première artiste féminine que nous recevons dans la rubrique de la FADA. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne reçoit depuis quelques jours dans une rubrique spéciale Covid-19, des artistes qui s'engagent dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous accueillons dans cette rubrique une diva de la musique urbaine du Niger, artiste avec un engagement déjà reconnu dans le domaine humanitaire. Elle s'inscrit désormais dans celui du Covid-19. Elle, c'est l'artiste chanteuse Philo la diva. Eh, je te souhaite la bienvenue Philo. Salut Dandy. Non, j'ai vu un truc. Salut Dandy. Salut Dandy. Alors, dis-moi, est-ce que tu pètes la forme, Philo diva Je vais très bien. Super. Alors, on va parler aujourd'hui donc de cette maladie du coronavirus. Alors, Philo la diva, on sait déjà que tu fais partie des artistes engagés euh, qui ont donc euh, d'une manière ou d'une autre apporté leur contribution ici même au sein du studio Flow. Alors aujourd'hui, on va d'abord t'écouter et on revient dans un instant pour la suite de ce que nous avons commencé. Alors, Mr. Flo, avec ta permission, on est allé. existe, c'est ce que tu viens à l'instant de dire, n'est-ce pas, la diva Effectivement, Dandy. Alors, explique-moi un peu le contenu donc de ce refrain. Ah, voilà, c'est très simple. Le contenu de ce refrain dit tout simplement que le coronavirus existe. Pour l'instant, rien ne lui résiste. Donc, protégeons-nous. Protégeons-nous, chers amis. C'est ça. On se protège comme on dit, Philo la diva. Parce qu'au fait, il y a des jeunes qui ne croient toujours pas à l'existence de cette maladie. Tu leur dis quoi euh, non, moi je vous dis très simplement que, chers amis, vous pouvez voir à travers le monde que vraiment ce virus existe. Les gens sont en train de mourir en Europe, jusqu'à la Mecque, en Amérique. Les grandes puissances n'arrivent pas du tout à dépasser ce niveau-là. Alors, chers amis, prenez ça au sérieux, c'est pas de la blague. Tout simplement. Alors, Lave Divan, on connaît déjà assez comme artiste engagé. Avec le coronavirus, quelle est ta stratégie de lutte Ma stratégie est très simple, c'est pour ça j'ai décidé de venir au studio me joindre à mes frères artistes pour qu'ensemble nous puissions prêter notre voix au sirop pour pouvoir euh, dénoncer et vraiment sensibiliser la population par rapport à cette maladie. Alors quel serait ton mot les gars donc de tes fans, ceux qui kiffent la Diva sur cette émission Pour tous ceux qui kiffent Philola la Diva, je vous dis, je vous aime. Nous nous aimons, on dit toujours aimons-nous vivants. Donc protégeons-nous. Coronavirus, c'est vrai. Tout simplement. Alors tu sais que j'aime bien ta voix. À chaque fois que tu chantes, tu me donnes la chair des fous, tu le sais. Alors je voudrais comprendre le Niger parce qu'on aime bien le Niger. C'est pour cette raison que nous sommes là. Nous luttons contre le Covid-19 pour que et Kuldi. Alors quelle serait toi ta contribution, le son Niger sur ce beat Le son Niger sur ce beat Waouh hein? wow. Inspiration. Inspiration kasatalbaalka kasataadhaadhin raayuwa kasataadalchi kasadhabaabu bambanchi kenikimawaka kedhabakida kaama Oh, eh. Le dit avec ta voix, ladies and gentlemen, vous qui êtes en train de suivre cette émission fait partout au Niger. Voici donc pour vous le son Niger de Philo, la diva. Eh, vous êtes sous le studio Kalango, c'était votre rubrique Covid-19, l'artiste s'exprime. Hey. Une belle terre avec un joli désert. Je suis fier de toi, mon Niger. Toi qui ne ressemble à aucune autre terre. Source d'égalité, d'intégrité. Nigériens, nous devons travailler, nous sacrifier pour construire ce beau pays. Je t'invite à te lever et viens chanter avec moi cette belle mélodie. alborai da waiborai borumin kambanin gangwa na bin masitai respectons les gestes de barrière ya yaji ski ya shera hey to mun je filo ladiva yanzu mu dawo nan ga da inda muke muna hira da abokanmu mawaka makida muna tare da mamman sani almulmula muna tare da papis ce mago blue open muna tare da omar mai duma da kalangu <laughs> yawa muna tare da tonton rashid baltazar wanda ke tare da artist dare da rana bon ba mu e iya cewa ke dama ya fi da concert et des spectacles partout mais corona ki qui e on tazo est e venu mettre son grain de sel hein, dans tout ce qui n'allait pas déjà dans ce secteur hein. c'est ça maman Sani ben, il faudrait dire que déjà par exemple pour les, les grandes régions je veux dire pour les régions Mm-hmm. Niamey, particulièrement à Niamey, à Maradi, à Zender, à Tawa, à Gadez et euh, un peu à Tilaberi avant, avant l'état d'urgence. Ouais. Euh, au moins dans ces grandes villes, il y a toujours des, spectacles. Ça bougeait un peu quand même, quoi. Non, non, non, ça bougeait beaucoup. Je veux dire que les orchestres de ces, de ces régions, à, Niamey, il y a, chaque soir, il y a au moins cinq orchestres qui jouent chaque soir que Dieu fait. C'est arrêté. Mais maintenant, au moins les week-ends, il y a peut-être 10, non, il y a il y a 13 orchestres qui jouent chaque, soir, chaque, soir, chaque samedi, vendredi, samedi, dimanche. Quelque chose autour de 13 ou... Voilà, en tout cas 13 que j'essaie sais qui jouent, qui sont en cas, la Donc voilà, ça, il y a déjà, vraiment, on ne peut pas, on n'a pas encore comptabilisé. Je reconnais qu'on n'a pas comptabilisé le nombre de dates qui ont été annulées, mais je peux vous dire en tout cas avec certitude qu'il y a un certain nombre de chiffres que nous avons en termes de dates qui ont été annulées à cause de cette affaire. Si on commence depuis le 18 euh, mars, c'était ça aujourd'hui, vraiment, c'est au-delà des 1000, 1000, 1500 dates qui ont été annulées. Rien que pour les gens qui jouent donc dans les bars, euh, régulièrement, dans les bars. Maintenant, après, il y a nous autres là, en fait, puisqu'il y en a beaucoup de catégories parmi les spectacles, ceux qui jouent dans les concerts et dans les concerts programmés, dans, les cérémonies officielles, parce que maintenant, il n'y en a plus aussi. Et ils sont, ils sont beaucoup encore ils sont beaucoup et c'est autant de dates encore là-bas sont c'est autant de dates qui sont annulées là-bas aussi donc c'est pour dire que hmm, ben ok même avec même pendant que les gens jouent Allah dina na ya sani dai me aka samu sai kuma ladira shi abin dai bai taka karya karya ba mai yanzu da babu shi gaba ɗaya din yanzu abin nace miki ya kai mu ƙasa ne saboda shi ne ma nan da eh, sati guda da ya wuce baya hmm. eh, mun yi mun yi mun kirtaran taron 'yan jarida wanda muka bayyana musu eh, halin da makaɗa da mawaƙa da duk wani wanda ke sana'a waƙa yake ciki kuma mhm. muka yi kira da babban murya wajen shugaban ƙasa ya diba ya gani cikin mutanen nan wanda ya ɗauka cikin kasosiyo c'est vrai que ça fait mal qu'on dise que aujourd'hui les artistes font partie des cas sociaux comparativement à certains pays du monde mais malheureusement la réalité la vérité est que même si peut-être euh, euh, Omar ou Rachid ou moi ou je sais pas Feno ou Almeida ou je sais pas Maliar ou s'en sortent pas mal. Ce n'est pas ce n'est pas le cas de la grande majorité. Je veux dire, ce n'est pas le cas de 95% au moins des artistes du domaine de, de, la musique. Donc, du coup, il faudrait accepter. On a été obligé. Moi personnellement, j'ai été obligé d'accepter le fait qu'on soit euh, qu'on reconnaisse qu'on fait partie des cas sociaux. Et donc, c'était pour cela que nous avons lancé un cri des détresse à l'endroit du président de la République et nous espérons que ce cri a été entendu. En tout cas, nous pensons qu'il a entendu. Maintenant, nous attendons de voir des actions concrètes à l'égard des, gens du secteur du métier des musiques, mais aussi de tous les artistes euh, en général. Ouais. Papus, je reviens vers toi. D'accord. Impact Covid-19 et ses mesures sur ton activité Blue Open Scene L'impact, euh, je veux parler de plusieurs impacts. Le mot impact ne me suffit pas de dire parce que aujourd'hui, de part par ce que l'artiste peut donner comme contribution, comme l'a dit le tonton, l'artiste est avant tout un ambassadeur, c'est un représentant culturel, c'est un acteur culturel qui représente une nation. Donc l'artiste est vraiment euh, un tout. Je pense que si les activités des artistes ne marchent pas, rien ne marche la culture, elle est primordiale en quelque sorte pour l'évolution d'une nation. Alors, quand les artistes ne marchent pas, rien ne marche. Ça ne va pas. Quant à moi, pour mon activité, ça a freiné beaucoup de choses. Les jeunes ne peuvent pas aller se distraire. Parce que nous, la Blue Open Scene, c'est quoi L'idée, c'est d'accompagner les jeunes artistes à grandir, à connaître la scène, à connaître le public et à apprendre mieux. Alors, ces jeunes-là sont maintenant à la maison, confinés en quelque sorte. Ils ne sortent pas, ils ils ne font pas la scène, ils n'apprennent pas. Alors, ils ont perdu plus d'un mois d'apprentissage, c'est beaucoup trop. On a quatre émissions par semaine qui ont été arrêtées. Je pense que c'est beaucoup. Moi, je, Fais, je passe mes lundis à la maison, ça ne va pas. Le public me manque, mon micro me manque, ma scène me manque et tout me manque. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Omar <laughs> C'est triste, hein. je te dis quoi, franchement quoi. Pas plus, reconfort, un peu de reconfort, on t'envoie. La fada te reconforte un peu. <laughs> Omar, zan da gare ka, yanzu papus yayi zancen harkokin da suke yi da tare da ƙananan ƙananan artist da jeune artist da suka tsaya yanzu kai na so in sani wannan zaman da ake nan gayi kamen ko da dan eh, repetition ana yi ko on peut s'attendre à du lourd après corona ko ko dai shiru ne wannan ma ya men balo moral na za a repetition ciki babu abin ina da kuma sani na repetition take babu repetition daga daga gida sai gida daga kwana sai kwana babu wani repetition dan abin da ke gare kama yanzu ba ke ko sai fini hida mata mana umar ba ya bala moral men kursa rikar kai ba kalangun ga kashi a ah, yau kalangu ai yau <laughs> ciki bai dauka ba masu rashi na bai dauka ba rashi eh, dole za a buru mu dan wanda ya kamata shi sai a buru saboda studio kalangun na hiddo shi mm. <laughs> ya yi kwana ya kwana biyar shi na ai eh, nayi sani ya ka sani ka gani babu wani raficin bon iya ka sai ka tai kasa tallaje ka dawo kasa sai kasa san daji ka dawo kasa kawai da ka zo gida ka ji iyalan na hidin babu mm. can kena sai kuma da ka <laughs> tashi da waye sai kana yan wange wange to to sai dai mi wata ubangiji Allah sai da mi wata ubangiji Allah shi buɗa mu hanya ta alheri ubangiji Allah ya ba mu lafiya Allah koro mu da lafiya da abin da lafiya ka amin kuma ubangiji Allah sa magabatan mu su kula da mm, mm, na bayan su magana ta sai mu ci Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya ka to ba mu lafiya duk mu duka ya ce ya moral to ya falo moral pour répéter kenan an même pas attendre irin wannan a dulur ko a ce bayan corona an va wani danse ko wani abu shiru ne kawai yanzu kuma suna na kwanci na na na na ciki eh, Rabi, <laughs> ma gaba ɗaya kwanci na sa tsaba. Ina can ina bara, ina roƙo. duk wanda ya bani dan kilo biyu na shinkafa zan kawo cikin gora in zuba kada wata azumi ya zo a waiwayo ce babu wani abu to yanzu da na zo sai in zage in ce to wannan roƙon duma ne duma ne suka yi roƙo aka to mm. Allah saka da alheri to amin amin Allah ya kama muna amin to yanzu na gani jehi jehi artist suna wata wani ya waka wani ya sketch bisa kan harkan wannan covid-19 kuna iya mana zancen umara da gare ku Rashid Baltazar kuna yin mazancin wannan contribution kin artist ya kawo basu kan wannan yaƙi wannan annobar eh, eh, wannan mutane ni en tant que responsable de la structure fêtière mutane na ta kira na ana cewa a ko ina ana gani artist na ba da kokari ko mi a kokarin ku da kuke ba da eh, a kan ciwon matsalan wannan cutar coronavirus mm. ai artist tun coronavirus bai zo ba artist kamar inda kanan gana eh, gai ne artist kullum dare da eh, sahiya shi ke ba eh, mutane kuzari shi ke ba su zaman lahiya ma in za a cewa mm. yau in kun doka e, bisa reaminajima kin program kin le tele national ai ba kun san sinias sun ba da film ko yanzu sosai ake kallon film nigerian bisa telekinmu local akwai contribution da ya kai shi yanzu kun tambayi waɗansu john sun ka ce ils ont mis leur discothèque dans leur chambre inda artiste ba su yi aiki ba akwai oeuvre da mi za a sa discothèque cikin chambre dans su confinement la kenan artist oeuvre kin shi c'est immortel et c'est de tout le temps artist komi an ka ko ba ba confinement ba ko rami an ka yi an ka sa in akwai kana iya ka sa music ka saurara kana iya ka sa cassette kin film ka kalla kana iya oeuvre ma da an ka yi tun independence zuwa yau sai ka gani akwai contribution da ya yi wannan mutane na ga kunan vous êtes de la presse ku doki micro ku yi riskan ku. fandanka ana cewa mutum kalka hita ku hita kuke dan mutane akwai contribution da ya kai wannan an dehors de sa daga an ka ce ga president de la republique ya yi zancen coronavirus a niger le premier mouvement artist sun ka yi waka wakan har yanzu in kun saurari wakan kamar yau an ka yi ta eh, comedian sun yi nur walam bai taba shiga sketch sketch kin gaba da ake yi na abin nan sai publicity me sai yayi coronavirus ai ni na gane shi ma a facebook ya sa wani mask da waye eh, shi da mama gondwane eh, wannan akwai contribution da zai kai wannan ni je jouer dans des films aujourd'hui mutane ba su taba gani ba yanzu ake kira na ah tonton mun gane ka cikin film kaza mais tu étais jeune tu étais minene minene il faut voir <laughs> l'âge que j'avais au moment où j'ai joué dans ces films là ai ba sai an zo an ta buga ma coronavirus ganga ba za a san ana ana za a san ana contribution kun ji tonto tonton Rashid ya ah ce ba sai an buga ma corona kalangu ba za ta sa ana yaki bisa kanta Merci Omar. On va se détendre avec Maman Sani. Si tu peux nous faire un petit truc ici. Tu peux pas Ah, Maman Sani n'a pas le moral. Il n'y a pas de souci. Pas waka. Pas waka. Yo. Omar, on compte sur toi. va va Chanson. ku ba mishi haka nan ma dai haka nan ma dai babu nauyi babu shanson kowa babu shanson to ku shiga yau babu shanson babu waka umar babu music mai ya kare alkur'an mai ya kare alkur'an kun ji Omar Omar mun gode duk wannan an yi session Olivier Omar t'a accueilli Omar il a fait ah ouais t'a accueilli ah oui c'est important c'est en ce moment bienvenue surtout à la barre à toi et la chronique et c'est en ce moment précis qu'on voit l'importance de l'adage qui dit quand les choses se compliquent c'est les hommes forts qui gèrent la situation merci beaucoup il a <laughs> Ce soir, Ravi, on va parler de la technologie. D'abord, avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, en ce temps de coronavirus, s'il y a un secteur qui a connu le plus de boom, c'est bien évidemment le secteur de la technologie et le secteur d'Internet. Ah ouais, du coup, bah, c'est l'occasion pour nous tous d'être beaucoup plus 2.0. Euh, ah oui, on devient high-tech sans même le vouloir. Ah ouais, <laughs> Corona oblige, ravi. Lundi 20 avril, l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSI, a lancé une plateforme web esper.ne, un site internet dédié à la mise en relation des acteurs de divers domaines, art, communication, ingénierie, bref, tous les secteurs sont concernés. Alors, quand on parle d'ESPER, on pense plus à une classe élitiste, un cadre réservé à une classe bourgeoise. Mais sur ce projet, les initiateurs rassurent que l'ensemble des Nigériens est visée. Et on en parle justement parce que c'est une initiative citoyenne qui vise à former, soigner, apporter des solutions à une grande majorité de la population, et ceci à travers la technologie. Si nous prenons un secteur précis comme euh, celui de la santé, le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, Ibrahima Gimba Seydou, nous dit l'impact qu'il y aurait sur les populations. D'un côté, on pourrait recenser des Nigériennes et des Nigériens qui sont professionnels de ce, secteur, qui sont partout dans le monde. On a des Nigériennes et des Nigériens qui sont médecins, par exemple, euh, hors du Niger, comme qui sont médecins euh, au Niger, et qui ne sont pas forcément dans le canal, j'allais dire, standard. Donc imaginez donc qu'on ait maintenant cette base de données où on a des spécialistes dans le domaine de la santé. Cela pourrait rapidement, par exemple, se manifester pour apporter des soutiens, des, compétences à travers le ministère de la Santé, par exemple. On est un pays où nous n'avons quasiment pas de médecins, on a 0,02 médecins pour 1000 euh, habitants qui pourraient porter leurs compétences. Pourquoi pas faire euh, des consultations à distance C'est ce qui se passe aujourd'hui. En conclusion, faire de la technologie un outil de développement devrait être la priorité de chacun d'entre nous. Chaque utilisateur des services technologiques doit se poser une question. Tout comme euh, l'agriculteur fait de la roue euh, un outil de développement, comment est-ce que je peux faire de mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur, un outil de développement Car comme j'aime bien le dire, la technologie ne se limite pas seulement aux réseaux sociaux. Au-delà de tout ça, il y a tout un secteur qu'il faut vraiment déborder et développer. Merci. Tu peux dire un truc sur ça On peu de... Bon, nous, ici, on parle de musique. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous utilisez bah, Grosse question, peut-être. un truc, Tu vois, On prend le domaine de la musique euh, aujourd'hui en France. Il y a le streaming qui est vraiment développé. Du coup, même si l'artiste ne vend pas de CD, il vend ses musées euh, ben bien sûr, il faudrait dire qu'on euh, utilise aujourd'hui, euh, l'Internet est un outil merveilleux qui vient, qui nous permet aujourd'hui de vendre, de compenser notre manque à gagner avec le, fait que le CD est carrément démodé et dépassé. Du coup, ce n'est pas, ce n'est pas vraiment la vente en ligne n'est pas suffisamment développée, mais quand même il y en a quelques-uns parmi nous qui arrivent à mettre leur musique dans les boutiques de YouTube, Amazon, Deezer, Spotify. Et ici, particulièrement chez nous, les gens aiment bien WhatsApp, mhm. Facebook, euh, Twitter. Mais avec le temps, ils seront obligés. Bon, alors même, si, même si avec WhatsApp, on, on, on, on ce n'est pas, ce n'est pas plus sur ça parce que là, avec affaire de confinement là qui mm. s'est pointée, on ne mm. s'est même pas préparé là. Non, mais en, en réalité, en réalité réalité, dans tous les cas, dans tous les cas le CD n'est plus, plus à l'ordre du jour. Quoi. Pour pouvoir vendre ses œuvres, il va falloir passer par la vente en ligne. C'est cela, c'est cela l'avenir de, de, la, de la vente des musiques et des œuvres artistiques et culturelles. Tonton, vous voulez ajouter quelque chose oui, dans la même direction que Maman Sanich. Moi, personnellement, ce qui me euh, passionne en ce moment sur les réseaux sociaux, je suis des comptes des comptes. Hier seulement, j'ai suivi un compte de Adam Depodjou de la Côte d'Ivoire depuis la France en direct euh, sur, euh, sur Facebook. Ah ouais Et, euh, sais pas ça. le Parlement du Rire aujourd'hui est à profusion sur les réseaux sociaux. Et ça nous permet de passer le temps. Nous avons des prêches, des prêches pour les sages, l'autre classe, où tu as un prêche qui t'édifie sur ta religion. Il y a des pasteurs qui font des évangiles. C'est pour dire qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, hein, qu'on l'admette ou non, au sortir de, ce, de cette catastrophe, mhm. le monde va changer. Merci beaucoup. En conclusion, faire de la technologie un outil de développement devrait être la priorité de chaque utilisateur des services technologiques. Et peu importe la génération, nous sommes tous 2.0. Merci Olivier. karshen wannan ko in ce ma mun zo karshen wannan shirin da dai maman sani to bari eh. yanzu maman sani kana da mokin ka na ƙarshe da gai to madalla wannan kuma onon da tu kula nasin <laughs> eh to lalle wani dan ƙarin eh, bayani ne so in yi kwa kamar game da eh, gudunmuwa eh artist cikin eh tahiyar kasa da saboda ban so ba in tsaya bakin kamar yadda Rashid ya hidi dazunan ban so ba in tsaya bakin kamar cikin wagga lokacin da aka zo na wannan annoba ko ma da ke kai da wagga annoba ta fara kina ganin ai makaɗa mawaka da masu masu wasan kwaikwayo da duka dai sana'o'in abin da shahi al'adu ba su tambayi kowa ko dala ba sun je sun yi sun gabatar da sana'arsu mecece sana'arsu sana'a faɗakar da al'umma sana'a waye al'umma kanu lalle kuma da nishaɗantar da al'umma mai tare suvan cikin eh, cikin eh, nishaɗantar wannan ko muke aika sakuna eh, akwai faɗakarwa

Maman Sani ya gai artist su ma dai suna nan suna ba da kokarin su cikin wannan yakin na covid-19 su ma kenan a tana da su tunda su ma suna nan suna tana da al'umma sai mun ƙara haduwa cikin wannan shirin na tus alfada gobe su ku haɗu da abokin aiki na don da shi kuma zai zo yi zanci bisa kan set contribution za a tantance komi da wadda kuke kawowa kuma da wadda ya kamata a kawo muku kuma taimakon da ya kamata a kawo muku to mun gode aha to <laughs> to amma <laughs> to Huh?